Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à au Kalangou, délocalisé pour la première fois à l'intérieur du pays, plus précisément à Maradi, la capitale économique du Niger. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou pour discuter principalement de la révision de la charte de l'AES et de la création d'une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À suivre dans notre forum de la presse, le point de presse vendredi dernier de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, Coldefa, Le président de l'institution affirme avoir récupéré un peu plus de 15 milliards de francs CFA. L'actualité, c'est aussi ce léger remaniement technique du gouvernement nigérien avec l'entrée de deux ministres au terme d'un décret du président du CNSP, chef de l'État, signé lundi 19 février 2024. Pour commenter et analyser tous ces faits. Je reçois avec plaisir Hadjara Haruna, journaliste indépendante. Bonsoir Hadjara. Bonsoir. Bourema Magarba, correspondant du quotidien La Nation dans la région de Maradi. Bonsoir Bourema. Bonsoir. Mohamed Maman, journaliste à la radio Garkoa de Maradi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Et Lawali Kauje, journaliste indépendant. Bonsoir Lawali. Et bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Nous le disons en titre des ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis le jeudi 15 février à Ouagadougou en vue de créer une confédération. Cette rencontre qui intervient après la décision des trois pays de quitter la CDAO va également permettre à la vingtaine des ministres présents réfléchir sur les nouvelles perspectives de la nouvelle organisation ainsi que d'examiner la situation politique et sécuritaire dans l'espace AES. Lawali Kaouje, vous aviez certainement suivi cette réunion des ministres de l'AES à Ouagadougou au Burkina Faso. Que peut-on retenir au sujet de cette rencontre bah, Ce qu'on peut retenir, c'est que euh, au sein de cet espace dit AES, les choses sont, sont en train d'aller. Les, trois pays, notamment donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les choses sont en train d'aller euh, trop vite, très vite en tout cas, puisque euh, ces trois pays sont sortis de la CDAO il y a à peine euh, une, deux semaines, et voilà qu'ils songent déjà. Déjà l'idée de l'AES était là, et voilà maintenant c'est un pas déjà important de songer à la confédération qui, elle, est déjà à un stade d'organisation supérieure. Euh, alors, euh, ce qu'on peut dire là, c'est que euh, il y a un virage total que ces trois pays-là sont en train de prendre. Est-ce que cela rassure les populations de ces trois pays ben Justement, c'est là où les choses sont un tout petit peu, disons, il y a une opinion qui est favorable, dont on dit majoritaire. Mais il y a une autre opinion qui est sceptique. Moi, je, peux vous dire qu'ici... Euh, sceptique, ça veut dire euh, qui est inquiète. Qui est inquiète, euh, qui se pose des questions. Par exemple, ici, nous, nous sommes des populations d'une zone frontalière avec le Nigeria où tout pratiquement tout est euh, jumelé avec euh, ces, pays-là. Alors sortir euh, pour aller vers l'AES, pour nous, pour beaucoup de populations ici, c'est comme s'il y a une sorte de, déplacement du centre de gravité du pays et, ça inquiète véritablement les, populations. Alors comment faire dans ce état de figure hein? ben, il, ça veut dire qu'il y a une communication à, entreprendre importante pour euh, rassurer les populations, pour convaincre davantage les populations, pour qu'elles adhèrent justement à cette euh, nouvelle marche-là. Merci beaucoup, Lawali Kogé. Bouré Magarba, la rencontre des ministres de l'Alliance des États du Sahel qui a ouvert ses travaux le jeudi 15 février passé dans la capitale burkinabé, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination et la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans des domaines stratégiques comme la défense, la diplomatie, le développement économique et social. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES sont-ils sur la bonne voie selon vous À mon humble avis, ces pays sont sur la bonne voie dans la mesure où, lorsque nous parcourons le texte fondateur de cette alliance, à savoir la charte de l'IPTACO, c'est un texte euh, qui pose d'abord les bases d'une véritable alliance, contraire à tout ce que nous connaissons par rapport aux organisations sous-régionales telles que la CDAO, l'UMOA, tout ce que nous, avons vécu, en tout cas jusqu'ici. L'AES, c'est une alliance qui vise un certain nombre d'objectifs, dont le premier, c'est la question sécuritaire. Et tout le monde sait que les pays membres de cet espace sont confrontés, en tout cas depuis une décennie, à des troubles sécuritaires énormes par rapport auxquels la communauté internationale a été vraiment absente, sinon laxiste. Donc ces pays-là ont décidé, en signant cette charte, de mutualiser leurs efforts pour assurer d'abord la sécurité des populations. Mais à votre, ah. votre avis, est-ce que ces trois pays peuvent garantir la sécurité de leurs citoyens. Le terrain est, favorable aujourd'hui, le terrain répond à cette question dans la mesure où nous pouvons dire que depuis le départ des troupes françaises, qui étaient considérées comme les parrains des terroristes, les attaques, en tout cas les attaques qui faisaient... Vous n'avez pas de preuves Oui, les attaques qui faisaient quand même de, nombreuses morts ne sont plus enregistrées dans nos pays. Et à toute chose, il faut, il faut un début. Je pense que ces pays-là, en décidant de s'unir et de financer leurs propres efforts, au moins se donnent la chance de ne pas dépendre d'un tiers pays ou d'une tierce organisation dans le cadre de la définition de leur politique sécuritaire. Si vous avez suivi le président burkinabé, il a dit à un moment, dans nos pays, tu peux commander des armes et les Occidentaux vont dire qu'ils ne vont pas te livrer ces armes parce qu'elles sont létales, c'est-à-dire qu'elles sont de haute précision et on ne peut pas te donner ça. Il dit, mais quand on attaque les populations, là, on ne parle pas des armes létales dont disposent les terroristes. Donc je pense que ces trois pays ont précisé que, en s'unissant, d'abord, ils ont le même niveau de développement social et économique, donc personne ne sera le patron des autres, contrairement à ce qui s'est dit. Oui, mais y a-t-il une euh, différence entre l'AUS et la CDAO La CDAO, pour rappel, c'est une organisation à caractère strictement économique. Même les volets, les chapitres politiques ont été ajoutés par la suite il y a aussi l'intégration. L'intégration, c'est juste que certains États sont prêts à retrocéder certaines de leurs prérogatives de souveraineté euh, au nom de cet espace. Mais ici, on parle de confédération. La confédération signifie que là, il y aura bientôt un gouvernement, un gouvernement unique pour ces trois pays. Et je pense que aucun texte ne le dit pour l'instant. C'est ce que je crois, c'est mon appréhension personnelle lorsqu'on parle de confédération. Allez-y. Voilà, donc je pense que ces pays-là, même si on voit que ça va très vite, ça va très vite compte tenu des impératifs sur le terrain, puisque l'ennemi guette et on n'a pas le droit à l'erreur. Merci beaucoup, Bourem Garba. Mohamed Maman, les États du Sahel multiplient les rencontres et les échanges pour accélérer leurs différentes actions. Ainsi, après Ouagadougou, le 15 février 2024, le Premier ministre du Niger, Lamine Zen Ali Mahaman, a présidé samedi 17 février à Niamey la réunion des ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo. Quelle est votre opinion au sujet de cette rencontre de Niamey qui devrait se pencher sur deux sujets majeurs qui sont la fourniture de gasoil à ces pays présents à cette réunion et la problématique de l'énergie au niveau de ces pays. Merci Mokta pour euh, cette question. Alors je commencerai par, pour moi, la question la plus fondamentale, c'est cette question énergétique. Aucun pays au monde n'a pu se développer, en tout cas sans maîtriser euh, l'énergie. Les dernières expériences nous ont montré qu'il faille au Niger aujourd'hui euh, songer à cela. Juste après. Euh, avec les conséquences des coupures avec le Nigeria. Avec le Nigeria qui a unilatéralement décidé de, nous couper la fourniture énergétique, ce qui a eu un impact sérieux sur l'économie. Nous qui sommes à maladie, nous, nous savons de quoi nous parlons parce que l'économie, à un moment donné, je dirais pas à terre, mais l'économie était euh, franchement fragilisés, euh, touchés. Alors, si ces trois pays décident aujourd'hui, en tout cas, de, s'unir pour trouver une voie de sortie par rapport à cette question énergétique, je pense que c'est opportun, dans la mesure où ils ne sont plus dans la CDAO. Aujourd'hui, tous ces présidents de la CDAO le regard tourné vers ces trois pays, on va voir, ils se disent, on va voir s'ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, il faudrait que ces trois cette pays. ci il n'y a pas que les pays de l'AES, il y a le Togo, euh, le. Oh, je, je, parle, je parle d'abord des questions question énergétique parce que ça concerne d'abord ces trois pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui décident de mutualiser leurs efforts pour trouver, en tout cas, euh, euh, comment être indépendant du point de vue énergétique, parce que nous le savons tous, le Niger est alimenté par le Nigeria, le Mali est alimenté par la Côte d'Ivoire et un peu le Sénégal. Le Burkina aussi, c'est la même chose. Euh, nous savons que les deux pays qui ont posé plus de problèmes à ces trois pays, c'est bien sûr le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors il faudrait euh, s'affranchir de ces deux pays, les plus nantis, je veux dire, de, cette zone. L'indépendance énergétique. C'est primordial, c'est primordial. On ne peut pas s'en sortir sans cette question énergétique, sans être indépendant, d'autant que ces deux pays euh, vont causer des problèmes. Il suffit juste de regarder les réseaux sociaux, comment ces, ces, populations de ces pays disent on va leur couper l'électricité, ils ne vont plus utiliser nos ports, ils ne vont plus utiliser voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui la question énergétique est fondamentale. Pour parler de la question du gasoil. Oui, mais, comment être indépendant au Niger au moins où le barrage de Kandaji quand même traîne quelque part Le, le, Mali a son barrage. Hein. Je pense que c'est un barrage qu'on peut, utiliser et renforcer pour souvenir euh, subvenir aux, deux autres pays. Vous voulez dire aussi que euh, le solaire est aussi une alternative Bien sûr, bien hein. sûr. Si aujourd'hui le Niger, on ne s'en met pas, vous êtes à Maradi, ça fait combien de jours Vous ne sentez pas qu'il y a coupé C'est parce que tout simplement, à un moment donné, le Niger a compris que on peut y arriver par nos propres euh, efforts. Aujourd'hui, on ne sent même plus que le Nigeria, a coupé notre courant parce que tout simplement, il faut, il faut, peut-être ces jets d'événements pour nous faire comprendre que non, nous pouvons le faire, on n'a pas besoin de, l'effort de Merci beaucoup Mohamed Mamana Hadjara Harouna. Ce projet a de grands chantiers, notamment la construction de centrales solaires photovoltaïques et de mini-réseaux solaires dans plusieurs villes et villages de plusieurs pays du Sahel et bien au-delà. Quelle est votre opinion au sujet de l'indépendance énergétique de ces pays Oh, merci. Moi, je pense que euh, euh, le Niger est en bonne voie. Et bien que beaucoup reste à faire, mais je pense que avec le temps, on va y arriver. Certes, c'est une question de temps, ça va prendre beaucoup de temps. On espère que c'est un peu de temps, le Niger va s'améliorer. Euh, avec cette question de l'énergie, on pense que franchement, on peut y arriver. Avec l'énergie solaire notamment oui, peut-être avec l'énergie solaire, on compte plus précisément sur l'énergie euh, solaire. Oui, mais est-ce que le Niger d'aujourd'hui a les moyens de, euh, vulgariser euh, le solaire Oui, on espère oui, le moyen, parce que moi je fais un tour vers le barrage de Kandaji à Gourbanda. On peut espérer que dans peu de temps, le Niger sera indépendant avec l'énergie solaire avec les moyens de l'État, euh, l'État qui peine quand même à faire face à ces euh, nombreux défis, dont la sécurité euh, évoquée par Bouraï Magarba tout de suite. Bon, franchement, <laughs> beaucoup reste à faire avec ces moments que le Niger, ces problèmes que le Niger rencontre. On espère que dans peu de temps, tout va s'améliorer. Bouraï Magarba, vous avez quelque chose à ajouter Je vois que oui, vous je voudrais préciser que quand on parle d'énergie, c'est l'élément essentiel pour procéder à la deuxième phase de développement qui est l'industrialisation du continent. Vous ne pouvez pas industrialiser un continent tant qu'il n'y a pas d'énergie. Et lorsque nous voyons le potentiel de ces pays-là, Niger, Mali, Burkina, en termes de solaire, le potentiel est énorme. Et n'oublions pas que le Niger est un grand producteur d'uranium. Avec la diversification des partenaires, il n'est pas... Le Niger était aussi pionnier euh, en ce qui concerne euh, le solaire. Le solaire. Oui, bien sûr. Donc maintenant, si vous regardez, même les pays développés font une combinaison entre l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, les autres formes d'énergie. Et ces pays-là, en fonction, par exemple, des zones géographiques et des potentialités de chaque, euh, de chaque euh, secteur, peuvent mettre en œuvre des projets de cette nature-là. Et surtout que je crois savoir qu'il y a un projet de la Banque mondiale qui traverse euh, justement ces pays jusqu'au Tchad et par rapport auquel les, cinq pays aspirent, par exemple, à capter ces dividendes. Au, sujet du solaire, on sait que le euh, professeur euh, Abdoumouni Diofo a quand même fait beaucoup de choses euh, ici au Niger. Professeur Albert Wright continue le combat. Vous pensez que l'histoire est en train de donner raison à professeur Albert Wright quand il disait que la centrale thermique diesel de Gourubanda était tout simplement un gâchis, pour le pays c'est le point de vue du technicien qui est comparé au point de vue de l'acteur politique, parce que celui qui, gère le pouvoir, il a d'autres impératifs, il a beaucoup de gens à satisfaire, et le technicien, lui, ne voit que l'aspect technique. Mais moi, je pense que ce n'est pas une perte de temps. Et le potentiel que nous avons dans ce, dans ce secteur-là, il est énorme. Mais je crois que si l'État, si l'État est décidé, on peut par exemple permettre aux citoyens de s'équiper en énergie solaire, on peut dédouaner ces éléments-là et leur permettre d'accéder plus facilement. Merci beaucoup. Mais c'est la Nigélec le problème. Euh, vous avez quelque chose à ajouter Oui, par rapport euh, à l'indépendance euh, ah. énergétique du, Niger Oui, oui, oui c'est important d'ajouter que, comme il a dit, ou d'insister sur le fait que, effectivement, l'énergie est pratiquement la base. Euh, l'un des piliers de développement, la maîtrise de l'énergie, en effet, euh, va davantage booster euh, euh, les économies de, nos pays. C'est justement pourquoi ces pays-là ont mis ça en, priorité parce que tout démarre à partir de l'énergie. Merci beaucoup à vous quatre pour vos premières analyses sur notre premier sujet, les réunions de Ouagadougou et de Niamey. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder on doit servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse studio Kalangou. La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, CODEF, a récupéré plus de 15 milliards de francs CFA d'avoir illégalement acquis au cours des trois derniers mois d'activité, dont un peu plus de 12 milliards de francs CFA déjà encaissés avec des engagements supplémentaires de plus de 3 milliards 700 millions de francs CFA a annoncé son président, le colonel Abdelwahid Jibo, lors d'un point de presse vendredi 16 février à la suite d'une audience avec le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Garba, le président de la CODEF a assuré que l'institution poursuivra sa mission et que personne ne sera épargné, même si, selon lui, la commission est confrontée à certains défis, notamment les restrictions entourant certains dossiers en instance devant la justice, ainsi que le fait que l'ancien Haltia la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées a écrasé toutes les bases de données, ne laissant à la CODEF que des dossiers basés sur des dénonciations. Comment expliquer une telle posture de la Hatia dénoncée par le président de la CODEF j'ai cru voir sur, sur la plupart des réseaux que la commission, l'ancienne Halcia, des réseaux, les, réseaux, sociaux. mon pas par voie officielle que la Halcia n'est pas d'accord sur ce point, de vue, sur le, fait d'avoir écrasé les données. Et je pense que aujourd'hui, en termes informatiques, même si les données sont écrasées, il y a des moyens de récupérer les données. y la, la, Halcia a aussitôt euh, rendu public un communiqué. Voilà, donc euh, je pense que la COLDEF, si la COLDEF veut vraiment faire son travail, la Coldef doit se donner les moyens d'être transparente. Et aux dernières nouvelles aussi, sans vous couper, euh, nous, nous, aurions appris que la Haltia a encore remis les dossiers. Les supports. Exactement. Euh, à la Coldef. Donc maintenant, parlant des montants, je ne trouve pas que les montants soient importants parce que dans ce pays, on a assisté à tellement de scandales que vraiment recouvrer 12 millions alors qu'il y a des affaires de 200 milliards, il y a des affaires de 50 milliards, il y a des affaires. Donc recouvrer. Et en plus, le, le, problème, c'est que ce n'est pas seulement recouvrer l'argent. Quelle est la suite Est-ce qu'aujourd'hui, si on demandait à tous ceux qui ont... Suite judiciaire. Suite judiciaire, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, si on disait à nos frères qui sont en prison, pour un téléphone cellulaire, pour un poulet, pour un pigeon malade. Est-ce que si on demandait à chacun de rembourser ce qu'il a pris Vous pour retrouver sa tout de suite 12 euh, millions alors que c'est 12, Plus de 12 milliards de oui, c'est dérisoire. En tout cas, à mon avis, c'est dérisoire. En, trois mois seulement ça. Mais c'est dû au fait qu'il il y a un, des antécédents. En six mois, en 12 ans dans ce pays, il y a eu, un océan de détournement. Donc, euh, et c'est à la Coldef vraiment de faire en sorte que la population lui fasse confiance et qu'il n'y ait pas de tri dans les dossiers. Personnellement, vous avez confiance à Hmm, personnellement, non. Pourquoi Parce que je ne, ne sens pas qu'elle est animée de la volonté de faire le même traitement par rapport à l'ensemble des dossiers. Donc je, je, la trouve un peu balbutiante, un peu tâtonnante par rapport aux vrais dossiers sur lesquels les Nigériens l'attendent. Il n'y a, pas de preuves sur ces dossiers auxquels vous faites allusion. Et il faut ouvrir l'information pour montrer qu'il n'y a pas de preuves, justement. Prouver que ces dossiers sont vides. Mais tant qu'on ne les a pas dépoussiérés, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, vous n'avez pas entièrement confiance À mon avis, je n'ai pas tellement confiance à la. Je trouve qu'elle est plus un instrument euh, de propagande qu'un instrument de lutte contre la délinquance. C'est votre bah, avis, Merci beaucoup. Euh, Mohamed Maman, selon le président de la CONDEF, lors de l'entretien euh, les membres de la commission ont réaffirmé au chef de l'État leur engagement à lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Euh, selon vous, que faire pour que l'État rentre dans ses droits Alors, que faire pour que l'État rentre dans ses droits Moi, je dirais euh, qu'il faudra d'abord rectifier les, textes, peut-être arranger les textes. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que quelqu'un a volé de l'argent. Tout le monde sait qu'il a pris de l'argent. Comme disent non. Tout le monde sait, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, mais. Comme disent que non, le gars, il peut venir euh, donner l'argent, qu'il s'entende avec la cordef qu'il décide de donner l'argent. Et... Alors, et puis c'est fini. Il n'y a pas de suite, selon vous. Il n'y a pas de suite dans la mesure où si la personne est venue donner l'argent, elle le reconnaît au moins. Elle reconnaît que. Merci beaucoup. quand la personne reconnaît que, effectivement, elle a détourné de l'argent et qu'on lui dit, euh, viens donner l'argent, et c'est fini et la suite judiciaire. ceux il n'y a, pas de suite judiciaire. Il faut, vérifier les textes, il n'y a pas de suite judiciaire. aucune preuve. Il faut, lire les textes. Et même, et même les juristes, à un moment donné, ont dit qu'il n'y a pas de différence entre la hartia et la collecte. Si c'est la même chose, si euh, je décide de, ramener l'argent euh, de mon propre gré, et puis voilà, halas, c'est pas normal. Même si cette personne décide d'amener, de, ramener l'argent euh, indûment perçu, je pense que cette personne doit être aussi poursuivie poursuivi. Au, même titre que, que, les autres prévenus. Mais on ne peut pas dire que non, je ramène l'argent, j'accepte de ramener l'argent et puis fini, c'est fini. Non. si, vraiment l'État, veut rentrer dans ses droits, moi je pense que non seulement on demande à la personne de, payer l'argent, mais aussi de, de la, rigueur de la loi. Moi, je pense que c'est en, ce, moment que euh, euh, l'État peut rentrer dans ses droits et ça pourra faire école chez les autres personnes. Euh, parce que si on me dit non, je peux rembourser et puis halas, mais qui me dit que prochainement je ne vais pas le faire s'il va falloir toujours rembourser, rembourser, et que je ne serai pas inquiété, je serai tenté aussi prochainement. Donc moi je pense que, à part le fait que la personne doit rembourser euh, euh, l'argent indûment perçu, je pense qu'il faudra aussi le croire un moment pour comprendre qu'effectivement euh, il, a fauté et, que c'est de l'argent de, tout un peuple. C'est pas seulement l'argent de, c'est l'argent de tout un peuple qu'il a, a, a détourné et qu'il doit répondre devant, devant ce peuple. Merci beaucoup Mohamed Maman, Hadjara Harouna. Pour rappel, la COLDEF a été créée par ordonnance du chef de l'État le 20 septembre 2023 avec comme pouvoir de mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens vis-à-vis de la COLDEF Bon, moi je pense que beaucoup des Nigériens attendent euh, la transparence. Parce que comme euh, l'a dit Mohamed, c'est comme s'il n'y a pas une grande différence entre la et la Kolda. L'ancienne Oui, euh, l'ancienne. Oui. Et beaucoup de Nigériens jusqu'à présent attendent de voir. Qu'on touche au, oh, gros dossier. Oui, au gros dossier. Ils sont là, mais jusqu'à présent, on ne sent rien, c'est calme. Beaucoup de, il y a beaucoup de réactions par exemple de, la société civile. Beaucoup de Nigériens attendent que la COLDEF fasse son travail. Mais jusqu'à présent, on entend que c'est 12 milliards seulement jusqu'à présent, euh, depuis sa création, en trois mois, Mais il y a beaucoup de, il y a, y a, beaucoup des affaires qui sont là, qui doivent être euh, vérifiées. Nous attendons la transparence. Moi, franchement, je ne fais pas confiance à la COLDEF. Vous voyez aussi que euh, la COLDEF ne communique pas assez. Comme oui, elle ne communique pas, elle ne communique pas toujours oh, c'est peut-être d'après les réactions de la population qui font qu'ils sortent pour dire que voilà, voilà, voilà, un tel ils ont découvert des dossiers, oui, mais des fois c'est sans suite. Mais on attend toujours. Il y a des gens qui sont là qui ont détourné de l'argent. Mais c'est comme si ces gens-là ont des pouvoirs. On, connaît, on connaît ces gens-là oui, je ne vais pas prononcer le nom ici, oh. mais beaucoup, nous tous, nous savons qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent au Niger. Nous attendons la, nous attendons la transparence. Et nous attendons beaucoup de la, de la franchement, il n'y a pas de transparence. En trois mois, 12 milliards seulement, Monsieur peu. Ça, c'est mon avis. oui. dans une déclaration rendue publique euh, lundi 19 février, le syndicat autonome des magistrats du Niger a demandé à ses militants siégeant dans la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale à Koldef de se retirer sans délai euh, de la dite euh, commission. Qu'est-ce qui explique cette colère euh, du Saman ben justement, moi-même, je me suis demandé pourquoi le Saman, qui fait partie intégrante de la composition de la Coldef, s'est retiré. Ben, c'est dû au fait qu'il y a des dossiers précédemment qui étaient à la Halcia, dont des avocats, qui étaient suivis par des avocats et que euh, maintenant avec la nouvelle, euh, le nouveau mécanisme de la Coldef, les avocats, les prévenus sont directement convoqués. avant le Saman, il y avait le barreau aussi. Euh, oui, oui, tout ça. Des, avocats qui étaient sortis, le bâtonnier était sorti pour un peu dénoncer les conditions d'interpellation des prévenus. Est-ce une goutte d'eau qui a fait déborder les vases ben, Sans doute, c'est une goutte d'eau qui a fait... Les... Nous, des euh, ce qu'on a compris hein, euh, de loin, euh, on, se dit qu'il y a une, une petite querelle de leadership au, sein de, de, de cette Coldef-là et euh, ça aboutit à, à, ce mano à mano-là entre euh, d'un côté les membres de cette COLDEF et, et notamment avec les, les magistrats, les, les, les, barreaux, etc. Bon, nous, dans tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats. En l'occurrence, euh, on voit bien que même si, en tout cas, il y a eu 12 milliards, voire 15 milliards qui ont été recouvrés, euh, il y a beaucoup de choses. En trois mois. En trois mois. Oui, c'est beaucoup par rapport à, contrairement à ce qu'on peut, qu'on pourrait y penser. Mais euh, vu les appréhensions que les gens ont, euh, parce que les gens parlent de centaines de milliards, et si au autour d'une centaine de milliards, on ne trouve que 15 euh, menus frétins milliards. Euh, donc euh, les gens sont un peu circonspects. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut dire quand même aux gens, c'est que la question de l'argent, souvent, c'est une question un peu qui soulève beaucoup de, de, de machins dans la tête des gens. Ces détournements-là dont on pense, dont on parle, souvent peut-être que ça a été exagéré. Et ça fait que euh, quand on nous présente euh, les résultats, on est souvent choqué de voir que... Euh, Merci beaucoup, Lawali. Non, vous avez quelque chose à ajouter, oui, je, voudrais, je voudrais, revenir sur le bras de fer qui oppose aujourd'hui les membres de la Coldef et, le Saman. nous savons tous hein, ce qui a fait soulever le, Saman, c'est à un moment donné. Et même, et le, Oui, le Saman, c'est parce que la Coldef demande aujourd'hui, ou bien voudrait prendre euh, en tout cas euh, euh, des mesures pour faire On, retirer pas, les, dossiers, les dossiers qui sont instruits en, instance. En, instance. parce que le Saman dit que la COLDEF est une commission administrative et qui n'a pas ce pouvoir judiciaire. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les membres du Saman se soulèvent pour dire que non, la COLDEF n'a aucun pouvoir judiciaire pour interférer dans des dossiers qui sont devant, devant, les tribunaux. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général <coughs> de Abdraman Chani, a nommé lundi 19 février 2024 deux nouveaux ministres selon un décret portant réaménagement technique du gouvernement. Ainsi, le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie est scindé en trois départements. Barke Mbako, Mamana Mustafa conserve le portefeuille du pétrole tandis que le commissaire colonel Ousmane Aparchi prend la tête des mines et le portefeuille de l'énergie revient au professeur Amadou Hawa. Hadjara Haruna, quelle est votre opinion au sujet de ce réaménagement technique du gouvernement nigérien Moi, je pense que c'est une bonne chose, cette nomination d'ajouter de la vitalité. Oui, oui peut-être c'est peut-être une voie de sortie pour la question de, le problème qui se pose, le problème du, pétrole, ça va apporter peut-être à beaucoup de choses. Et, bon, avant, nous pensions que les, les ministres qu'il a nommés suffisaient pour faire, euh, comment dirais-je, pour la bonne marche de ce pays. maintenant, on voit que on a augmenté d'autres ministres. On espère que ça va. Oui, deux ministres. On espère que ça va pas <laughs> ainsi de suite. Parce que... Est-ce que, selon vous, c'est parce que les Nigériens ont l'impression que le gouvernement euh, ne fait pas assez oui, moi je pense que moi je pensais, je pensais que c'est même tout le gouvernement qui <laughs> sera remanié, parce que euh, comme j'ai appris ces deux, deux ministres qui ont été nommés encore, je pensais que beaucoup, euh, ça reste beaucoup à faire parce qu'il y a d'autres ministères là qui ne travaillent pas. C'est un peu calme selon vous, ça ne marche pas euh, véritablement comme, comme il le faut, oui. Ça ne marche pas comme il le faut. Moi, je pense qu'il doit revoir même d'autres ministères. Merci beaucoup, euh, Hadjara. Mohamed Maman, le premier gouvernement de la transition a été formé le 9 août 2023 avec 21 euh, membres. Pourquoi remanier le gouvernement sept mois environ après sa formation C'est pour, pour, répondre à cette volonté d'aller vers... Je veux dire euh, l'indépendance énergétique. Nous l'avons dit en début de cette émission que ces trois pays sont en train de, vouloir euh, euh, créer en tout cas une dynamique pour aller vers l'indépendance énergétique. Et étant donné que c'est. ça ne concerne pas que le ministère de l'énergie. Il y a oui, justement, justement, justement, justement. avant, c'était le ministère du pétrole, l'énergie, l'énergie, euh, qui étaient euh, alors qu'aujourd'hui, toute la question repose sur ça. L'énergie et, euh, les hydrocarbures ont eu euh, une réunion spécialement pour ça. C'est dire qu'aujourd'hui, le Niger, même si nous n'avons pas, nous l'avons juste effleuré en, début d'émission, le gasoil aussi aujourd'hui, euh, notre principal euh, euh, acheteur que le Nigeria, avec lequel nous avons des problèmes, ne prend pas tout ce que nous sommes en train de faire. Il va falloir forcément a, trouver. Il le Mali le Burkina Faso. Justement, c'est pourquoi le Mali et le Burkina Faso sont, se sont ajoutés parce que ils vont, ils vont, en tout cas, le Niger va essayer de, de vendre ce ce, plus de, de, gasoil que le Nigérien ne, ne, prend pas. Et forcément, il faudra avoir un ministère qui va s'occuper de cela. Parce que si les trois entités sont dans, dans le même, euh, en tout cas dans le même ministère, je pense que ça ne sera pas efficace. Alors, pour ça, je pense que c'est important. Il faudrait, parce que le Niger aujourd'hui doit, doit, se baser sur, sur l'énergie, sur le gasoil pour avoir de l'argent. Et pour cela, il va falloir il forcément. que le euh, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr, les hydrocarbures, bien sûr. Il faudra aussi, il faudra aujourd'hui que euh, le Niger, en tout cas, se mette euh, se créent les, conditions pour que cet argent puisse rentrer, étant donné que le Niger ne peut compter que sur lui, lui seul aujourd'hui, euh, du fait que tous les bailleurs sont partis, du fait que tous les, partenaires sont partis. Il y a aussi les sanctions de la Bien sûr, bien sûr. Et, justement, c'est pourquoi euh, il faut trouver des débouchés pour notre gasoil. Notre gasoil est vendu au Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria ne prend plus ce gasoil. Il faut vendre ça au, Mali et au Burkina Faso. Merci beaucoup, Mohamed Momana Lawali Kaouje. Oui. ministériel au Nigeria avec l'entrée de deux ministres au gouvernement. Quel bilan peut-on faire au sujet de l'efficacité de l'action gouvernementale au cours de cette transition au Niger ben, vous avez déjà eu une réaction euh, qui vous a dit que, euh, d'une manière générale, euh, les Nigériens ne sont pas assez satisfaits de, l'entrée. l'entrain. Non, non, pas de l'action, mais du, j'allais dire, de euh, de ce leadership de ce gouvernement-là. On attend euh, davantage euh, de communication, davantage de pugnacité, parce que nous sommes quand même le peuple, lui, il est, il est un peu sur les braises, il, attend d'hommes, des hommes davantage plus valeureux, et, et c'est pourquoi justement, justement, on attend beaucoup euh, de ce gouvernement-là. À partir du moment où vous prenez les, le pouvoir, euh, vous devriez vous chercher ces moyens-là parce que lui, le peuple, il se dit que euh, celui qui, qui vient prendre le pouvoir, et, il, a ses moyens. Donc ça, on ne peut pas rabattre ça sur, comme une, une raison. au niveau du peuple. Le peuple, lui, il, est engagé et il a besoin d'hommes euh, encore plus courageux pour, pour conduire sa destinée. À vous entendre, vous n'êtes pas personnellement euh, satisfait euh, jusque-là Non, pas que je ne suis pas satisfait. Moi, je suis satisfait de quelque chose, mais je ne suis pas satisfait d'autre chose. en fait, c'est sur le plan leadership que je ne vois pas assez de... je, ne, je ne réussis pas à mettre 10 sur 10. donc, voilà. C'est pourquoi moi je, dis que c'est effectivement, euh, si j'ai un conseil à donner à ces ministres-là, c'est davantage euh, euh, mouiller leur maillot pour que effectivement le peuple sente qu'il y a des vrais garçons et des vraies filles qui sont en train de conduire leur destinée. Merci beaucoup Olawale Kaouje, Bourema Garba. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens au sujet de la gouvernance au cours de cette transition militaire les attentes des Nigériens, il suffit que les Nigériens, que tout un chacun se rappelle les raisons avancées par les militaires pour prendre le pouvoir. Les militaires ont avancé la question des défis sécuritaires et la malgouvernance. Et je pense que sur ces deux questions, les Nigériens attendent beaucoup le gouvernement du CNSP parce que vous ne pouvez pas faire partir une équipe pour une tare bien déterminée et répéter la même chose. Donc je pense que si les Nigériens doivent attendre quelque chose de ce gouvernement-là, c'est que ce gouvernement se démarque de tout ce qui a été fait dans ce pays pendant les périodes dites démocratiques. Et le problème du leadership dont Kaouja a parlé, c'est vrai, quand vous comparez par exemple les ministres nigériens aux ministres maliens, aux ministres burkinabés, on sent que les Maliens. Il y a une différence. Ils sont posés. Oh, ils sont très posés, ils maîtrisent leur sujet. vous êtes fiers même de Mais ces deux pays n'ont pas été sanctionnés euh, véritablement comme le Niger. ils ont été sanctionnés à leur manière, mais ça n'explique pas la pugnacité avec laquelle les dossiers, la célérité avec laquelle les dossiers sont traités. Je vous assure, j'ai écouté le, ministre du Commerce du Mali, j'ai dit, mais est-ce que ce gars n'est même pas plus fort que Shogel Maïga Au Niger, c'est ce qu'on veut aussi, puisque la transition, la différence entre la transition et un régime qui a gagné des élections, c'est qu'il n'y a pas d'impératif de placer tel militant, tel autre militant. Les militaires ont aujourd'hui les cartes blanches ils peuvent choisir les compétences dans ce pays. Et Dieu sait qu'il y a des compétences dans ce pays. Éviter d'agir dans la subjectivité et savoir dans quelle direction ils veulent nous amener. Si nous connaissons cet objectif-là, nous pouvons aussi nous donner les moyens de l'atteindre. Et je pense que les ressources humaines, ça ne manque pas dans ce pays. La volonté ne manque pas. Et si vraiment nous voulons le faire, on peut le faire. Comme euh, vous pensez aussi que d'autres ministres euh, euh, doivent être euh, changés Non, je ne parle pas seulement en termes d'individus, mais il y a des ministres que moi, je n'ai même jamais vus en dehors de la photo du Conseil des ministres. Je ne les ai pas sentis sur les préoccupations des Nigériens. C'est vrai, dernièrement, j'ai vu le ministre du Commerce qui a intervenu sur le prix, par exemple, euh, du riz dans les différentes régions, mais on l'attend aussi sur le prix du sel, sur le prix du... Il y a beaucoup de denrées, il faut aussi qu'elle agisse dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mohamed. Euh, vous avez quelque chose à ajouter dans ce sens Bon, moi, ce que je veux ajouter, c'est que les Nigériens attendent beaucoup un grand changement du CNSP. La bonne gouvernance surtout. Donc, il euh, ils n'ont qu'à tout faire pour arranger ces pays <laughs> qui, euh, d'une autre façon un peu gâtés. Quoi. Merci beaucoup, Aguera. Mohamed. Euh, e, effectivement, pour partir dans la pugnacité, dans, les actions dont parle, dont parle et, et moi je, me dis qu'on est toujours sur ce populisme je pense que les Nigériens, euh, en tout cas, il n'y a pas un régime militaire qui a eu le soutien de tous les Nigériens comme ce régime. Et je pense qu'aujourd'hui, ce régime doit comprendre que euh, le Nigérien attend beaucoup de choses. Nous avons vécu, en tout cas, beaucoup de, choses que nous, nous, avons décriées. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que euh, ces gens-là bougent. Hein. parce que ça fait 6-7 mois qu'ils sont au pouvoir, mais on ne sent pas la, la direction où ils veulent nous amener. On ne sent pas, on est resté toujours euh, dans le show, dans le chaud. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on, doit dépasser euh, ce populisme pour aller vraiment vers un programme concis, précis et qui va plaire aux Nigériens pour que les Nigériens les soutiennent davantage. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens vis-à-vis de ce gouvernement de la transition oui, les véritables attentes des Nigériens, s'il faut reprendre ta question, c'est d'abord, premièrement, la bonne gouvernance. Euh, la bonne gouvernance euh, s'entend euh, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxièmement, la transparence. La transparence. le défi sécuritaire. Oui, oui, oui, oui. Ben, parce qu'en réalité, l'insécurité et tous les autres, en réalité, sont des conséquences de, la mal gouvernance du pays et sans doute, on peut ajouter le fait que le pays aussi était un pays sous tutelle, parce que euh, hein. sous, tutelle, oui, parce qu'on a l'habitude de dire que notre pays n'est pas indépendant, il, il, est sous tutelle de la France. Maintenant que cette tutelle a priori n'est plus là, euh, donc, euh, depuis, le départ des troupes françaises, le départ de l'ambassadeur de France, la fermeture de l'ambassade de France, on suppose qu'on est aujourd'hui indépendant et donc on, est libre de décider. Alors à partir de ce moment-là, euh, on a vu déjà euh, qu'il y a eu euh, beaucoup d'améliorations, notamment dans le domaine de la sécurité. Mais si on revient justement sur cet aspect des attentes de la population en dehors de la gouvernance, de la transparence, mais les gens aussi ont besoin maintenant d'opportunités euh, parce que euh, l'opportunité euh, dans, tous les secteurs, donc qu'il y ait des ouvertures pour que effectivement cette jeunesse, parce que la jeunesse nigérienne aujourd'hui, elle est quasiment désœuvrée, et, elle a aussi beaucoup de potentiel créatif. Alors il faut, il faut débloquer tout ça pour que toute cette jeunesse se mette à l'œuvre de construction de notre pays. Merci beaucoup, Lawal Kaouje, Hadjara Haruna à votre avis, que faire pour la bonne réussite de la transition au Niger Bon, pour la bonne réussite euh, de, la transition au Niger, il faut qu'il y ait un changement de comportement. Il faut que beaucoup changent, surtout sur le plan euh, sécuritaire, parce qu'il y a jusqu'à présent des zones qui, qui sont vraiment impraticables qu'on ne peut pas. Impraticables ou qui sont. Qui, oui, oui, il n'y a pas de sécurité, surtout ici à Maradi. Nous savons, nous, avons, savons des zones qui sont euh, qui n'ont pas de sécurité jusqu'à présent. Sur le plan sanitaire, beaucoup Il aussi la région de Tillabéri euh, de Difa. De Difa, oui. quand on parle de, de, de, la santé, il y, a, aussi un problème de, manque de. Comment dirais-je D'accès aux produits. Oui, euh, d'accès aux, soins, produits, aux soins, oui, il n'y a pas a pas de des agents suffisants euh, dans des, hôpitaux. Bon, moi je pense que pour une bonne réussite d'une transition, il faut que tout change. Il faut que tout change sur tous les plans. Vous êtes ici à Maradi. Euh, quelles sont les actions à mettre en place euh, rapidement pour le retour de la sécurité, surtout dans le département du Madaroufa Moi, je pense que c'est une il faut une, sensibilisation à l'endroit de la population pour un changement de comportement. Des fois, il y a des, il y a des personnes qui, qui ne dénoncent pas, quand on envoie un individu, qui ne collaborent pas avec les forces, de, défense et de sécurité, des fois, ils ont peur de dénoncer par après. Ils craignent des représailles. Donc, moi, je pense que c'est juste une question de sensibilisation. Oui, mais comment faire pour amener les population à avoir plus confiance en nos forces de défense et de sécurité, à mieux collaborer avec euh, ces forces de défense et de sécurité. Si on prend nous les hommes des médias, on peut organiser des débats, on peut euh, aller dans des fadas, sensibiliser, surtout les jeunes. C'est eux qui sont les plus exposés. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est une question de sensibilisation. Est-ce que vous avez des retours euh, en ce qui concerne les actions que vous êtes en train de faire Oui, on a des retours, beaucoup de retours même. Et on est fiers. Et on va continuer dans ce sens. Comme comment amener les populations de la région de Maradi à collaborer, et même les populations du Niger à collaborer avec les forces de de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité ben, Comment les amener à davantage collaborer parce que, à mon, sens, à, mon sens, elle collabore déjà puisque euh, ici dans la région de Maradi, j'ai vu euh, les FDS, euh, la plupart du temps, c'est sur le signalement des populations qu'elles interviennent et qu'elles réussissent à repousser des, attaques euh, de bandits. C'est vrai que euh, certains moments il y a des petits problèmes, mais euh, d'une manière générale, on constate bien que de plus en plus la population elle-même, surtout celle qui est frontalière, qui est confrontée à cette insécurité là, elle collabore en tout cas parfaitement. D'après les échos que j'ai, elle collabore parfaitement avec les FDS. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités. Hadjara Haruna, journaliste indépendante, Bouré Garba, correspondant du quotidien La Nation dans la région de Maradi, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garkoua à Maradi, et Lawali Kaujé, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à et dimanche, celui en Zarma. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, pas de soucis, rendez-vous sur notre site internet www.studio et sur nos réseaux sociaux. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. merci à toutes et à tous. À la prochaine.